Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu et bienvenue dans le nouveau numéro du Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niami. Trois sujets ont attiré notre attention cette semaine. La mutinerie intervenue le jeudi 11 juillet à la prison de haute sécurité de Kout-Calais, située à environ 60 km de la capitale, occasionnant l'évasion de plusieurs détenus de la prison. Ensuite, les quatre axes de la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour la gestion du pays, présentés le week-end dernier par le Premier ministre du Niger. Enfin, le prix de l'essence et du gasoil à la pompe qui est réduit de 41 francs CFA par le gouvernement nigérien les nouveaux tarifs prendront effet le 23 juillet 2024 à 0h sur l'ensemble du territoire national. Pour en débattre, j'ai autour de moi Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Armi. Bonsoir Nafissa. Ousseini journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Soumana Abdoulaye, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Madame Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfa la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Plusieurs détenus de la prison de haute sécurité de côte calais située à environ 100 km de la capitale, se sont évadés le jeudi 11 juillet 2024, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Dans un message radio, le ministre demandait au gouverneur de la région de Tilaberi de mettre en alerte toutes les unités de recherche et de redoubler de vigilance sur l'ensemble du dispositif sécuritaire. Également de mettre à contribution les chefs traditionnels, les leaders religieux, sans sans oublier de sensibiliser les populations dans la dénonciation de tout individu suspect. Et en réponse au message radio du ministre de l'Intérieur, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tilabéry a instauré un couvre-feu de la ville à partir de 21h, toute circulation était interdite aux piétons, aux engins à deux roues ainsi que les véhicules sur toute l'étendue du territoire communal jusqu'au mardi 16 juillet où le couvre-feu a été levé. Et dans un autre communiqué, les forces de l'ordre ont annoncé que plusieurs dizaines de détenus évadés ont été appréhendés grâce à l'alerte et la riposte rapide des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Alors je commence avec vous, Armi. Quelle est votre analyse de la situation Bon, euh, merci. Moi, je trouve que c'est une mutinerie euh, telle que ça se passe euh, dans beaucoup de prisons de haute sécurité. Euh, c'est arrivé déjà, euh, c'est pour la troisième fois que ça arrive mm. à Côte-Calais. Mm. C'est arrivé à Niamey à plusieurs euh, reprises. Et aujourd'hui, mieux, toutes nos prisons, particulièrement les prisons de l'ouest du pays, les prisons aux alentours de Niamey, regorgent de personnes au moins présumées euh, terroristes ou des personnes carrément qui ont été arrêtées sur le terrain des opérations. Hmm, c'est pourquoi c'est une prison hautement sécurisée. Oui, mais hmm. donc il faut s'attendre à tout moment. Et euh, c'est des personnes qui sont, il faut le reconnaître, aguerries et qui profitent, qui profitent de toute faille qui s'offre à eux. Et donc, je crois que c'est la vigilance qui doit être euh, de mise au niveau de, euh, toutes ces prisons, parce que c'est des personnes qui peuvent être doublement, malheureusement, hein, doublement dangereuses pour euh, euh, nous tous, parce que s'ils rentrent en ville, d'abord les, prisonniers ordinaires, ou les personnes très dangereuses qui sont dans ces prisons, mmh. peuvent, peuvent profiter pour s'en aller. C'est ce qui arrive souvent. C'est parce que les Nigériens, C'est les Nigériens d'ordinaire, euh, on connaît que les gens purgent leur peine. Ils sont pressés, que cette date-là arrive. Et puis bon, personne, chacun veut sortir et vaquer à ses préoccupations. Mhm. Donc, c'est des personnes qui n'ont rien à perdre qui généralement font ça. Ou donc c'est des terroristes qui ont été arrêtés, ou des personnes euh, auteurs vraiment de crimes euh, crapuleux, de crimes vraiment euh, très graves crimes, hmm. n'est-ce pas, qui peuvent encourir pour toute la vie ou pour des dizaines d'années, n'est-ce pas, qui peuvent profiter, voilà, donc qui peuvent profiter pour, s'en aller. Moi, je pense que c'est ce qui, euh, ce qui arrive et la vigilance doit être de mise. Et malheureusement, tel qu'on voit, ça se passe dans les prisons, euh, très vite, il peut y avoir une affinité entre le personnel, n'est-ce pas, et les détenus. C'est pourquoi je crois que faire tourner régulièrement au niveau de toutes ces prisons-là les personnes chargées de les garder, c'est toujours euh, oui. Euh, voilà, la meilleure des mhm. solutions. Vous le rappeliez tout à l'heure que euh, c'est peut-être la troisième fois, en octobre, on le sait, 2016, et en mai 2019, la prison a, été cible d'attaque. la question de la sécurisation, il y a eu une faille bien Non, moi je pense que cette fois, apparemment, c'est de l'intérieur que c'est parti. Oui, au sein de l'intérieur. Voilà, donc certainement, euh, que peut-être que quelqu'un, un détenu, n'est-ce pas, euh, a pu se saisir d'une euh, arme, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est parti parce que jusque-là, nous n'avons pas le compte rendu officiel de comment les choses se sont passées. Mais apparemment, il n'y a pas eu attaque de l'extérieur. Comme les deux dernières fois mm. où les gens sont venus dans une voiture banalisée, dans une voiture d'ONG qui a été volée ou quelque chose comme ça. Mm. Et une fois, ils ont profité de la d'une petite pluie au petit matin pour que un un détenu d'origine soudanaise, mm-hmm. je crois, quelque chose comme ça, euh, s'en aille. Donc vraiment, il faut créer les conditions pour que ça ne soit, ça ne se répète pas. C'est dangereux, ça peut coûter la vie au, personnel, mhm. mais ça peut coûter la vie à la population. Euh, cette fois, par exemple, la population, semble-t-il, les gens ont refusé de, collaborer puisqu'ils mhm. n'étaient pas armés. Mhm. Imaginons qu'ils sont, qu'ils soient armés, ils se seraient tous enfuis et le seul endroit sécurisé pour eux, c'est de regagner les camps des, des, des, des, terroristes et autres. Donc, de fait, des simples détenus peuvent se transformer du jour au lendemain en, des, en des, terroristes aussi, parce qu'ils doivent vouloir d'un endroit où ils sont libres de se mouvoir et ils peuvent donc ce qu'ils ont l'habitude de faire souvent, venir attaquer les gens. Euh, voilà quoi. Et malheureusement, donc, euh, certains des évadés sont toujours dans la nature. Dans euh, cette prison est la mieux sécurisée de toute la capitale, néanmoins fait face à ces actes dangereux. Que doit-on comprendre pas de la capitale, il faut dire pas de la capitale, c'est mmh. karma tout le pays. Mais moi, je vais dire une chose. Quand la prison a été construite, c'était avec une vocation bien précise les grands criminels et autres. C'est devenu une prison où on a politisé. On peut prendre des gens pour des questions politiques et tout et tout, on les dépose là-bas. Pour hmm. des questions d'opinion, on les dépose là-bas. Il y a des cas récents donc des politiciens qui sont déposés là-bas. Alors, on hmm. doit faire le, distinguo. On doit se dire c'est une prison de haute sécurité. C'est-à-dire que, et comme avait dit, ceux qui sont chargés de la gestion de cette prison doivent être en alerte permanente. Parce que je ne peux pas comprendre. Armi vient de le dire. 2016, n'est-ce pas Il y a eu, euh, une, attaque, oui. Une attaque, oui, où il y a eu vraiment il y a eu beaucoup de dégâts où carrément les, portes ont même été défoncées. 2019 encore, ils ont carrément des gens, gens, gens, sont venus et quand il y a eu les renforts pour poursuivre les assaillants, ils sont tombés dans une embuscade où on a perdu plusieurs soldats, n'est-ce pas et voilà, c'est comme si c'est un peu répétitif à des cycles réguliers. 2016, 2019, 2024. N'est-ce pas Donc l'État devrait prendre des dispositions. Les dispositions doivent être prises. Mhm. C'est-à-dire que à partir du moment où on, liste ceux qui doivent aller purger leur peine dans cette prison-là, on ne doit pas amener d'autres acteurs qui sont pour des faits où on peut les mhm. amener dans des prisons qui... Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fui c'est les grands criminels, c'est les djihadistes. Les autres qui sentent que, bon, c'est juste une condamnation, on les a Quelques déposés. années pour Ils, n'ont pas fui, ils sont restés. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de communication officielle pour dire exactement, voilà le bilan. De, cette mutinerie-là. Les faits précis, comment les choses se sont passées, il y a eu, comment dirais-je, euh, alerte euh, radio, message radio pour dire voilà les dispositions et tout. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore communiqué. Et moi, je dis. Il faut communiquer, c'est important. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a cet état d'esprit-là, de communiquer. Il y a tel nombre, n'est-ce pas, de gens, voilà, dangereux qui ont fui, tel nombre de personnes, tel nombre de criminels. C'est toujours important d'informer les citoyens. Mm. Mais le fait de cette c'est de maintenir les gens. On dit il faut collaborer. Mm. Mais je collabore quand j'ai le maximum d'informations par rapport à une situation. Mm. Mais quand il n'y a pas suffisamment d'informations, c'est impossible. Comment je peux communiquer, je peux collaborer Voilà la situation telle qu'elle se présente. Mm. Jusqu'ici, aujourd'hui, on a dit qu'on a tué, on a pu quelques, quelques dizaines de machins, on a tué quelques-uns, mais on ne sait pas le nombre exact de prisonniers qui ont pu fuir. Effectivement, le bulletin même euh, précise que euh, malgré que le couvre-feu soit levé, des opérations se poursuivent pour retrouver les restants. Donc, euh, la vigilance même doit être de mise au sein de la population mais la vigilance, d'abord, c'est l'information. Il faut informer. quand des choses comme ça, il n'y a rien à cacher. Il faut informer quand vous voulez la collaboration des populations. Mais quand on donne, euh, à la limite, c'est tellement vague ce qu'on dit, des dizaines, de... non, qu'on dise, on connaît les effectifs de cette prison. Effectivement. N'est-ce pas mhm. Qu'on dise au moins, voilà tel nombre de prisonniers, donc voilà la catégorie de, prisonniers dangereux qui, ont pu, qui, a attaqué, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est géré. Hmm. Mais on ne peut pas laisser les gens comme ça, comme, si bon, les citoyens, on leur demande en même temps. Il, faut donc communiquer autour de cette situation. C'est important. En toute situation, mhm. il faut communiquer mhm. quand on est en situation de guerre. Mhm. Parce que les citoyens de Niamey, on a mis ah, feu. On, on, a, on, a, mis qu'au feu à Tilabé. Mais il se peut que certains et pris le, chemin de, Niamey. Est-ce qu'on le sait On ne peut pas le savoir. Ce n'est pas tout le monde qui s'est suivi. Mhm. Ils se sont suivis comme ça. Non, mhm. il y en a peut-être qui sont allés vers Niamey, qui sont allés dans d'autres localités dans de la région. D'accord. Mhm. Merci bien. Soumana Abdoulaye, comment avez-vous accueilli cette information Oh, c'est avec une grande stupéfaction. Hein. Moi, j'étais très surpris et très inquiet à quelques encablures de, Niamey, que la centaine, de kilomètres de Niamey, que la prison de haute sécurité de Côte-Calais soit l'objet d'une mutinerie de, de, prisonniers et d'évasion. Quelque part, on aurait même dit qu'ils se seraient même euh, emparés de l'armerie, tout ça là, pour hmm. s'évader dans la, nature. Tout ça là, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Et surtout que c'est, je viens de le dire, surtout que c'est à quelques kilomètres de, de Niamey, la capitale. Alors, qu'est-ce qu'il faut également retenir C'est que il faut vraiment que la vigilance soit vraiment de mise et accrue. Hmm. Euh, Rémi a utilisé un mot très important, donc l'affinité. Euh, hmm. Dans les prisons, on constate qu'il y a beaucoup plus d'affinité entre euh, les, détenus et certains, certains gardes, n'est-ce pas, de, de, de, de, la prison. La prison. Hmm. Ce qui fait que, bon, on peut imaginer hein, que on était comme si dans un film hollywoodien, hein, et on peut s'imaginer que euh, ces gens avec, ce euh, se basant sur les affinités et les complicités internes, des mouvements de leur euh, garde ont été, n'est-ce pas, étudiés et, n'est-ce pas, et profiter de cette, d'un certain moment bien précis propice pour pouvoir passer à, mhm. l'action. Mhm. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne maîtrise pas l'effectif euh, réel des gens qui sont, qui sont sortis de cette euh, prison, qui sont évadés. On ne maîtrise pas également l'effectif euh, réel de ceux qui ont été appréhendés. On ne maîtrise pas également ceux qui ont perdu la, vie parce que certains, à travers le, fleuve, ont voulu s'enfuir, ont été. Ont peut-être donc perdu la vie là-bas. Oui, bien sûr, mm, mm, mm. sur, la traversée du, fleuve. Donc, alors, dans tous les cas de figure, c'est qu'il y a vraiment euh, une réelle volonté aujourd'hui, une urgence de repenser, n'est-ce pas, la sécurité au niveau de nos prisons, surtout cette prison de haute sécurité. Hussein a fait un, parallèle tout à fait tout à l'heure où ce n'est pas n'importe qui qui était censé être mm, gardé dans cette, dans cette prison. C'est une prison hautement sécurisée. Où donc, c'est les euh, grands bandits, c'est les grands criminels, les grands terroristes, n'est-ce pas, qui sont, qui sont euh, euh, jetés là-bas. Mm. Et par, paradoxalement, on constate qu'il y a même des, politiciens qui sont, n'est-ce pas, euh, euh, j'étais dans cette. Euh, mm-hmm. même des organisations de la société civile mm-hmm. bon, pour des délits d'opinion, tout simplement, on les retrouve là À l'avenir, quelles doivent être les dispositions que l'État doit prendre Ils doivent redoubler d'efforts Non. Dans tous les pays, les prisons de haute sécurité, les prisons ordinaires pour les faits ordinaires, n'est-ce pas, existe. Donc, et les prisons de haute sécurité, c'est des prisons de haute sécurité mm. qui ont des règles beaucoup plus pointues, beaucoup plus euh, rigoureuses que les prisons ordinaires où vraiment c'est le délit de crime commun qu'on amène. Mm. donc, normalement, une prison comme celle de Koutoukale, je ne sais pas si vous avez visité une fois, hein. c'est en dehors du village, mhm. c'est vraiment euh, avec du matériel euh, définitif, mais vraiment avec euh, des pierres que ça a mhm. été construit et tout. Donc, normalement, ce qu'on doit amener là-bas, justement, on doit s'attendre à ce que c'est des gens qui soient à mesure de, de, s'enfuir. Mais quand on amène un politicien euh, parce qu'il a quitté une majorité ou parce qu'il euh, il n'est pas d'accord avec euh, une situation dans le pays ou parce qu'il a fait une déclaration mm. ou un, un, un acteur de la société civile, n'est-ce pas parce qu'il a appelé à manifester ou alors qu'il n'a même pas manifesté. Des trucs comme ça, vraiment, ça banalise une prison de haute sécurité. Donc la garde est très remontée, la garde est très vigilante où personne. Je vois quand vous allez là-bas, a priori, vous avez des gardes sur le toit, des, mhm. il y avait un minaret, des trucs comme ça. Et donc, le dispositif y oui, est. Le alors. y est. Mhm. Mais malheureusement, oui. mais quand on amène, quand on fait que c'est une prison ordinaire, quand de Niamey, tous les jours, nous on amenait à manger, par exemple, à Moussa Tchangari, tous les jours, 10 parce que c'est pas loin, c'est Karma, c'est 50 km. Hmm. N'est-ce pas Et ça ne doit pas être comme ça. C'est pas euh, à Il y en a même qui ont construit un hangar à côté pour être à côté de leur leader quand on l'a amené. Hmm, hmm, Donc, ça banalise, ça banalise euh, cette prison qui est destinée euh, sincèrement à autre chose. Comme toute société, nous avons de nos bandits de grand chemin, n'est-ce pas, nos criminels, nos terroristes aujourd'hui, n'est-ce pas parce que les touristes, quand tu les gardes, tu exposes même cette prison-là. Effectivement, euh, effectivement, Oui, voilà. Mm. justement, tu exposes aussi les autres acteurs. S'il y a des prisonniers ordinaires qui ont eu à fuir, c'est certainement pour ce protéger. Mmh, mmh, mmh. parce que Parce qu'il va y avoir des tirs, il, va y avoir, on ne sait pas, une balle perdue peut t'atteindre. Donc tu te caches au moins le temps que les échanges cessent pour que tu reviennes dans, la prison où tu dois observer euh, la rigueur de la loi. Donc c'est ce qu'on ce qu'on doit faire, c'est une prison, on sait à quoi c'est destiné on ne souhaite à personne de se retrouver là-bas. Il faut renforcer le dispositif. il faut renforcer le dispositif, il faut respecter les règles vraiment dédiées à ce genre de, prison. Pour, pour, terminer, Hussein Issa, quelles sont donc vos recommandations vous, ah, euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Arim vient de dire. C'est une prison spéciale. Quand on parle de Guantanamo, on, sait, déjà à, quoi, ça, à quoi ça ressemble, n'est-ce pas Ça dit que c'est des criminels endurcis on ne peut pas les mettre avec des prisonniers ordinaires, n'est-ce pas Et on crée une situation où, sur un coup de tête, on dit, bon, il faut un acteur associatif, un acteur politique, parce que tout simplement, on veut la merder, il faut l'amener là-bas, mm. n'est-ce pas Dans tous les cas, ces gangsters-là, ces criminels-là, ces djihadistes-là, moi je dis, il suffit d'une petite faille. Tout à l'heure, eh, Ablaï vient de le dire. Ça dit que, comment on appelle ça, des affinités, souvent intéressées. Il faut le souligner, intéresser. Les gens peuvent avoir accès à des téléphones pour appeler. Alors, à partir de cet instant, quand on crée les conditions, parce que tout simplement, il y a une confiance qui s'est créée entre des éléments et tout, hmm. et à partir de cet instant, il peut y avoir ce genre de choses-là. N'est-ce pas Mettre le dispositif, créer les conditions pour que ce soit. Déjà, une fois qu'ils sont là-bas, on sait leur dangerosité, et on crée les conditions pour qu'ils ne puissent pas organiser ce genre de, de, mutinerie, qu'on dise qu'on a organisé une mutinerie dans une prison de haute sécurité, jusqu'à ils prennent, ils arrivent à s'enfuir pratiquement. Moi, je me pose beaucoup de questions. Les autorités doivent donc renforcer le dispositif sécuritaire au niveau de cette prison hautement d'ailleurs sécurisée. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. deuxième sujet de ce forum de la presse. Devant la presse, le samedi 13 juillet, le Premier ministre Lamine Ali Mahaman a expliqué la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour la gestion du pays. Ainsi, quatre axes sont déterminés par le CNSP et le gouvernement afin de réussir la transition en cours depuis un an. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité, de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique et enfin de l'accélération des réformes sociales. Abdoulaye, que peut-on comprendre à travers ces axes Oui, bon, déjà, il faut se résoudre du fait qu'enfin, on peut se dire que euh, la transition a une feuille de route. Mm. ce que. Euh, euh, qui accouchait, n'est-ce pas, sur du, papier, n'est-ce mm-hmm. pas a pratiquement euh, près d'un an d'existence où certains citoyens commençaient à se dire que le CNSP naviguait à vue, il n'y avait pas de boussole. Euh, le socle était sur euh, la sécurité et la souveraineté. Aujourd'hui, le Premier ministre a rendu public la vision du président du Conseil national de la, de la sauvegarde de la sauvegarde pour la, patrie, euh, le général de brigade Abdurrahman Chani. Sa vision pour un Niger, euh, dit-il, véritablement indépendant et, prospère. Hmm. Alors, euh, il est parti sur le fait qu'il a fait d'abord un diagnostic n'est-ce pas, clinique, des mots qui ont jusqu'au 26 juillet 2023 eh, plombé eh, l'évolution de notre, de notre pays au plan sécuritaire, au plan économique, eh, et, etc. etc. Mm. De ce diagnostic, il s'est également euh, révélé qu'il y a un certain paradoxe, mm. n'est-ce pas Le paradoxe étant le fait que le Niger quand bien même disposait, n'est-ce pas, de ressources, n'est-ce pas, de, de, ressources minières, de, de richesses, n'est-ce pas, fait en sorte que malheureusement le Niger a été classé pendant des décennies, n'est-ce pas, dernier, n'est-ce pas, du point de vue de l'indice développement euh, humain, n'est-ce pas, dernier de la, de la, de la, de la planète. Aujourd'hui, c'est une bonne chose que ce document soit rendu public et soit rendu public pour que le citoyen lambda puisse se l'approprier et faire en sorte que, comme il le souhaite, qu'il y ait une certaine euh, culture patriotique en gestation. Oui, sans vous couper la parole, au-delà de ce document aujourd'hui pour le citoyen lambda, selon vous, qu'est-ce qui a été déjà fait concrètement sur le terrain que le citoyen peut remarquer, que peut bénéficier Qu'est-ce qui a déjà été fait Bon, concrètement, hein. euh, en, 12 mois de, de transition, D'abord, euh, il faut se réjouir du fait que du point de vue sécuritaire, le Niger est en train de revoir euh, ses, partenaires, n'est-ce pas, réviser les termes de, contrat qui, qui, le liaient à certaines puissances. On a constaté le, départ, n'est-ce pas, des forces françaises. Les Américains sont partis, hein. n'est-ce pas Toutes les puissances qui ne sont pas d'accord avec les nouvelles approches, n'est-ce pas, donc de nouvelles euh, autorités, n'est-ce pas, estiment que, bon, ils n'ont pas leur leur place euh, au Niger, donc sont en train de, de, mhm. plier, de plier Et tout récemment, peut-être on peut, on, peut, on peut se réjouir du fait que hier seulement, on a eu cette annonce, n'est-ce pas On va y revenir sûrement de cette base, n'est-ce pas, du prix des, hydrocarbures qui était longtemps une revendication, n'est-ce pas, mhm. donc de, des populations. Alors, du point de vue économique également, il faut, il faut se réjouir du fait que le pipeline a été opérationnel, même si par ailleurs il y, a, des démêlés avec euh, le, le, le, le Bénin. Et n'est-ce pas que le Niger est en train de revoir euh, comment est-ce qu'il faut le dire, euh, une autre destination, n'est-ce pas, un autre, un autre port hmm. pour pouvoir exporter, n'est-ce pas, donc euh, le pétrole mhm. brut. L'autre, un autre aspect, c'est que avec la mise sur pied de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre, septembre. 2023, n'est-ce pas, une alliance qui était surtout basée sur le plan sécuritaire de la défense, n'est-ce pas, Aujourd'hui, il y a de cela 10 dix jours, je crois, n'est-ce pas, a été mué en, confédération. Il y a eu des, choses ont été faites, des petits pas ont été posés. Il faut, il faut, il faut, il faut, les consolider et gagner chaque pas et aller de l'avant. Merci pour ces précisions. Arimi, dans les régimes antérieurs, c'était le PDS, le plan de développement social, qui déterminait également euh, leur mission. Mais en quoi cette vision du CNSP est-elle différente du PDS selon vous Voilà, euh, c'est très bien. Hmm. Euh, ça prend en compte les mêmes secteurs avec hmm. le PDS et autres. Hmm. Cependant, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas Et vraiment accessible à nous autres parce que le PDS avait ses spécialistes, des ateliers par-ci, des séminaires par-là. Hmm. Là, en une nuit, moi, en tout cas pas même une nuit, en une heure de temps, j'ai lu. On peut bien comprendre, oui. J'ai compris, y compris, j'ai lu, j'ai compris, y compris la présentation du président et tout. J'ai mis de côté. Hmm. Et ça prend en compte beaucoup de préoccupations, préoccupations euh, pour ce pays. Euh, mais je le trouve un peu justement euh, trop terre à terre. Hmm. Euh, certainement qu'on en a besoin, n'est-ce pas, sur le plan de relations extérieures avec les grandes puissances. Euh, euh Ablaï a rappelé dans quelle situation nous sommes actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il a, c'est l'artiste qui parle, c'est le sportif qui parle, hmm, qu'il a occulté un aspect important n'est-ce pas, euh, de la culture et du sport. Deux ou trois lignes à la fin du programme où le président disait qu'il va utiliser ses moyens de distraction ou de mhm. divertissement. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. La culture et le sport moderne, c'est des industries à part entière dont il doit tenir compte. Il faut donc investir pour que... Aujourd'hui, hein, c'est même des secteurs créateurs d'emplois dont il faut vraiment euh, tenir compte. Je crois qu'ils doivent réviser mm. cet aspect-là. Je n'ai pas vu là où ça peut être. Oui, ils ont parlé de la création de l'emploi, qui c'est des entreprises qui sera facilitée, y compris, je suppose, les entreprises culturelles et sportives. Mais ce n'est pas ça. Mm. C'est des entreprises à part entière où il faut prendre une mise, une prise en main de l'État comme pour l'agriculture, comme pour l'élevage, mhm. pour que ça marche. Aujourd'hui, nos pays, les pays, voisins, ce n'est certainement pas le cas du Bénin ou du Togo, mais le, Burkina, le Burkina, oui, le cinéma et le sport. Aujourd'hui, on a combien de sportifs de haut niveau burkinabé qui, même en termes d'emploi qu'ils créent pour leurs propres frères de leur pays, sont, très avancés. Mhm. C'est la même chose au Mali. N'en parlons même pas. Ils vendent des joueurs, ils vendent ci. Donc c'est un secteur sur lequel je crois qu'ils doivent revenir. J'ai vu du concret par contre avec euh, la venue du, du, CNSP. Sincèrement, la création des pôles de production des produits vivriers à Difa, à Zender, j'espère qu'ils vont en faire en connu et surtout l'Iraser dont on a tant parlé pendant de plusieurs années, qui, qui doivent bénéficier aussi d'un tel investissement. Ça, c'est du concret. Hmm. Euh, j'ai vu à des fois, il parlait de 600 000 tonnes de riz qui sera euh, produit cette année. Hmm. Mais c'est énorme. Tout le Niger n'en produit pas autant, à mon avis. Hmm. En tout cas, n'en produisait pas autant. Et donc, si on a deux, trois pôles comme de ce genre-là, oui, on peut atteindre, voilà, mhm. on peut atteindre des choses. Sinon, euh, je trouve que les cas... dans le contexte où nous sommes avec la difficulté. Justement, euh, justement, mais dans tous les cas, ça ne saurait durer. Ça ne serait duré. Aussi, l'autonomie euh, du point de vue énergétique qui est envisagée. Euh, et le président euh, Gianni veut mettre en avant d'abord ce qu'on a comme ressources. Il a parlé de l'uranium, il, a parlé du, du, pétrole, du charbon que nous avons, mais aussi le soleil mhm. qui sera valorisé et euh, et ils ont dit qu'ils vont créer des, des, centrales énergétiques mhm. autonomes, n'est-ce pas, au niveau des grands centres. Et Je crois que c'est, ils ont, en tout cas, il y a une connaissance de la situation. Mm-hmm. Maintenant, il n'y a pas de délai dans ce que j'ai vu. Dans combien de temps, qu'est-ce qui sera réalisé mm-hmm. Il n'y a pas un planning. Une priorité. Voilà. Et ce qui laisse euh, encore. Euh, est-ce que les bases seront mises et ceux qui vont leur succéder vont, les vont continuer Est-ce que voilà certains aspects qui seront réglés avant la fin de la transition. Mhm. Combien de temps donc va durer la transition mhm. Ça, je n'ai pas vu ça euh, dans le, le, document. Et c'est ce qui fait qu'on on est encore un peu quelque peu perdu parce mm. qu'il faut vraiment euh, on est des êtres humains, on doit vivre pendant un moment donné et donc il faut qu'on nous dise dans combien de temps telle chose sera réalisée. Merci Ousseini, ça, quelle est donc vous votre appréciation de cette vision Moi je vais du principe de ce que par là où Arimi vient de terminer. C'est beau le discours, c'est beau un peu comme avait dit la Mais littérature. C'est la suite. Parce que quand vous regardez tous les programmes, tout ce qui a été fait dans ce pays pendant des décennies et des décennies, c'est des beaux plans. On va faire ceci, on va faire cela. Au final, il n'y a rien. N'est-ce pas Le même projet qui devait être finalisé ou, engagé depuis pratiquement 20 ans, 30 ans, on revient sur le même. Tous ceux qui viennent, le plus important à mon sens, mm-hmm. c'est de faire, de poser les premiers actes, n'est-ce pas Montrer qu'il y a cette volonté, cette détermination de sortir de la situation que j'ai trouvée, mhm. n'est-ce pas Mais venez faire un discours pour dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Ok. Je fais, j'engage les moyens qu'il faut. Je, je, supervise, je crée les conditions pour que ces moyens ne soient pas détournés. Mhm. N'est-ce pas Pour que, à tel délai, que les gens sentent qu'il y a un changement. N'est-ce pas Moi, je me rappelle au temps de Kunche, quand il faisait les choses, mais il était sur le terrain pour constater de visu. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui donner des chiffres, des statistiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon vous. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bah, depuis qu'on est arrivé dans ce système où les gens se contentent d'aller compiler des chiffres qu'ils ont, mm. aller inventer des chiffres et tout et tout. On veut changer. On monte pas des exemples. Quand je prends, par exemple, je fais le parallèle avec le, jeune du Burkina Faso. Quand il achète ces choses, on vient et on montre et on détermine comment ces choses-là vont être utilisées. Hmm. Il faut qu'on sorte de cette histoire de voilà, on, dans le, machin, le narratif, le discours, l'écrit, on dit voilà ce qu'on va faire. Au bout du compte, il n'y a rien, hmm. il n'y a même pas de valeur. Parce que c'est ça qui permet de faire le bilan, d'évaluer est-ce que ce qu'on a investi là, on a atteint quel niveau Comme ça, celui qui va prendre le relais demain, il sait qu'on est à tel niveau, lui aussi, il doit arriver à un autre niveau. Il faut du concret, donc, selon mais vous. Il faut du concret. S'il n'y a pas de concret, mais, présenter juste un document que je vais faire ceci, je Tout le monde a une vision. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de vision. Maintenant, quel moyen je vais me donner pour concrétiser cette vision-là C'est bien beau, bien beau donc euh, de nous faire part de, nous faire part de cette vision du CNSP. Euh, euh, il faut du concret et justement dans un communiqué du gouvernement, c'est notre troisième sujet de ce forum de la presse, dans un communiqué du gouvernement en date de ce mercredi 17 juillet 2021, il ressort qu'à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures seront fixés comme suit. Euh, l'essence à 499 francs CFA et le litre du gasoil à 618 francs CFA. Cette réduction de 41% explique le communiqué sa ligne dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024 à l'initiative du chef de l'État, le général Abdrahman Chani. Et l'objectif de cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix de transport et par voie euh, de conséquence celle du prix des produits de première nécessité, rapporte le texte. Notre reporter Hassan Nour a interrogé quelques consommateurs après l'annonce de cette nouvelle. Écoutons leur réaction. Je pense que la réduction du prix de l'essence peut offrir un soulagement économique à court terme, mais il est crucial de considérer ses implications à long terme sur l'environnement et l'économie. C'est une bonne décision et nous sommes fiers car ça va amener un soulagement dans le pays. C'est pour cette raison nous saluons les autorités qui ont une pensée pour la population. Nous ne pouvons pas affirmer que cette réduction de l'essence n'est pas à saluer parce que dans toute chose, tant qu'il y a une réduction, c'est un soulagement, surtout chez les taximans que nous sommes. Mais nous avons voulu qu'on vende le litre de l'essence à 350 voire 400 francs C'est CFA. Vraiment cette décision-là, on ne peut que le saluer. Parce que cette réduction-là, certainement, ça va beaucoup alléger la situation à la fluidité dans le transport, une certaine marge de manœuvre. Et du coup, ça va se répercuter certainement dans le transport des marchandises et des hommes. Ce sont donc des réactions après l'annonce de cette réduction du prix de l'essence et du gasoil. Vous, Armi, quelles sont vos impressions sur cette réduction annoncée par le gouvernement Écoutez, c'est naturellement un couteau à double tranchant euh, la réduction du prix du carburant, oui, nous qui sommes consommateurs, euh, souvent derniers consommateurs, bon, ça nous arrange. Aujourd'hui, avec 5000 francs, tranquillement, je prends sans problème 10 litres pour continuer. Ce n'était pas le cas. j'étais était à 9 litres et demi. J'ai vu un ami qui a fait un calcul euh, simple en prenant l'exemple sur un taximan qui consomme 15 litres de carburant par jour. Et quand il a fait ce, euh, calcul en un an, il économise à peu près 245 000 francs euh, CFA. Ah voilà, ce qui prendrait en charge peut-être le riz qu'il va acheter pour sa famille. Mm. Donc j'ai bien trouvé, j'ai trouvé pertinent la comparaison. Mm. Et donc chacun euh, qui consomme directement le carburant, oui, il a un, bénéfice. Mm. Seulement, pour le commun du consommateur, c'est pas euh, significatif. Parce que pour quelqu'un qui consomme bon 5 litres par jour, il ne va pas sentir ça, ressentir ça tout de suite. Mais aussi, j'ai bien peur que les transporteurs, n'est-ce pas, ne trouvent pas la marge très petite pour procéder à des réductions euh, parce que c'est ça l'effet recherché l'objectif, que, que, ça, que le prix des transports soit en baisse. Voilà, je ne pense pas que c'est le cas. Par contre, l'État va énormément euh, perdre, à mon avis, euh, parce que certainement, euh, c'est dans la part de tout le monde, mais c'est la part de l'État que le gouvernement a euh, la possibilité de toucher sans beaucoup de difficultés. Mm, mm, mm. Et donc, il y aura un manque à gagner au niveau des recettes de l'État. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Je sais que les Nigériens s'attendaient à mieux, sincèrement. donc, pour que ça se répercute sur euh, la consommation de tous les jours, il faut peut-être aller un peu au-delà. Et je ne sais pas si une étude a été faite euh, pour savoir mhm. en quoi ça peut impacter, par exemple, l'importation des produits euh, vivriers qui nous manquent actuellement. actuellement. Mhm. si ce n'est pas le cas, bon, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais c'est quand même un, geste euh, de bonne volonté. Euh, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas en entendre parler. Mhm. Mais aussi, il faut être réaliste et voir ce qui se passe autour de nous. J'ai vu le prix en Côte d'Ivoire qui tournerait il y a une comparaison, euh, de 700. Oui. de 700. bon, la Côte d'Ivoire produit un peu. Euh, au Burkina, c'est un peu plus cher aussi. Au Mali, c'est beaucoup plus cher. Mais nos voisins qui sont des grands producteurs, le Nigeria, c'est nettement moins cher. L'Algérie, n'en parlons même pas. Mm-hmm. La Libye. Et peut-être c'est au Tchad qu'on peut se comparer aujourd'hui. Le Tchad, qui nous a dévancé d'une dizaine d'années euh, dans la production du, du pétrole. Bon, qu'est-ce qui, qui, est le prix appliqué mm. et est-ce que c'est c'est tout ça qu'il faut savoir. Mais c'est un bon, parce que je crois que c'est pour répondre à un appel de, de, de, la population. oui c'est une très bonne chose, mais peut-être que ça commence le 23. Ça, et donc, peut-être qu'au bout de trois mois, peut-être réduire encore 40 euh, autres francs et puis ça peut être. On le souhaite. Alors, euh, le prix de l'essence qui était à 5, qui est actuellement à 540 francs CFA, euh, revient donc à 499 francs CFA. Vous, Hussein, vous pensez que ce, prix est à l'attente des Nigériens On aurait attendu dans les réactions que quelqu'un souhaiterait que ça revienne même à 300 francs CFA. Euh, quand on suit le défunt, le regretté Ben Omar, dit et son âme, mhm. n'est-ce pas C'était initialement prévu que les sang soient vendus à 350. Les négociations qui avaient été faites avec les Chinois, 350 francs le litre à la pompe au Niger. Maintenant, les messieurs, là, quand ils sont arrivés, ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont dit que la, construction de la raffinerie a été surévaluée et tout et tout. Et après, sur la suite, on a entendu qu'il y a même des gens qui percevaient du système, qui percevaient de l'argent dans la vente. C'est-à-dire la chaîne, l'architecture des prix. Hmm. Des gens, ils ont greffé des choses pour pouvoir gagner pour eux-mêmes, pour une ressource qui appartient et aux Et non pas pour tout, pour les citoyens. Non, cest non, ça dit que chacun s'est arrangé parce que c'est eux. Bah, mais la preuve, et moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est bien, on applaudit, on est tous d'accord qu'il y ait cette réduction minime, euh, soit. Euh, ok. Mais qu'on fasse l'audit des 12 ans de gestion de notre pétrole raffiné, qu'on fasse cet audit-là pour savoir exactement, parce que moi je suis convaincu d'une chose, s'il y a eu ce, travail-là du comité, c'est qu'eux, ils ont refusé pendant 12 ans, ils ont refusé pendant 12 ans de, toucher à un centime, un franc, ils, ont refusé. Ça dit dire qu'on a enlevé dans la structure des prix, on a enlevé des choses qui revenaient à des individus qui ont considéré que c'est leur propre ressource. N'est-ce pas Pendant toutes ces années-là, il faut faire l'audit savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis convaincu de cela. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est que, bon, on s'attend bien évidemment à ce que les coûts de transport, <laughs> euh, tout ça là, soit, soit revus. Mais moi, ce pays-là, je, me dis, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. On a vu, quand il y a eu, comment dire, avec les sanctions euh, de la CDAO et tout et tout, l'État a créé les conditions, l'abattement au niveau, comment dire, au niveau des, des, barrières, euh, des, barrières douanières, mhm. on a vu l'État a consenti. En quoi ça a changé quelque chose Oui, même maintenant, le Conseil, euh, le CNSP euh, invite l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse. Moi, militaire, je n'invite pas, mhm. j'impose. Et ils disent qu'en tout état de cause, les services compétents de l'État sont, instruits pour prévenir et réprimer, je cite, il faut réprimer. Ça dit que je t'impose. J'ai accepté de réduire. Hum, hum, hum. Si tu refuses de réduire, je vais te sanctionner. Et je vais te sanctionner durement. Parce que tout simplement, je l'ai fait pour pouvoir soulager les souffrances des populations. Mais je ne vais pas observer où je vais aller te négocier. Je ne vais pas te négocier ou tu acceptes, voilà, j'ai dit. Par exemple, aujourd'hui, prenons le cas de taximan, mhm. taxi. Aujourd'hui, taxi ne se prend plus à 200. <laughs> c'est plus de ça. Certaines distances. Tu négocies en fonction de la distance. Maintenant, le taximan va te dire, si tu es d'accord, tu vas négocier. Alors, qu'à l'époque, on connaît un peu. On va te dire, ces deux courses. Alors, pourquoi on ne peut pas sanctionner, sévir pour mettre fin à ces, à ces pratiques-là mhm. Les transporteurs, qui vont aller prendre. Moi, je suis convaincu, ou qui transportent les, les passagers, mais je suis convaincu que s'il n'y a pas de sanctions drastiques. Il faut un vrai suivi alors. Non, il faut un vrai suivi. Mhm. Le taux n'est pas dédié. Parce que maintenant, eux, ça les arrange. Mhm. Je vais continuer encore à faire payer la course à 500 francs alors que j'ai une réduction sur le prix du carburant. Alors, Abdoulaye, le CNSP, dans son document officiel, précise que les services compétents de l'État sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure qui a été prise. Mais comment ils doivent s'y prendre aujourd'hui Mais ils ont, ils ont le pouvoir, ils ont la force. pour réprimer les contrevenants, les, les contrevenants, sanctionner sans état d'âme. Et on a vu euh, tout récemment, rien que par rapport au prix du, riz, quand le ministre du Commerce a, fixé les, prix de concert, même avec euh, les opérateurs économiques. Pourtant, certains sont restés cramponnés sur euh, leur, position, sur leur prix initiaux. Donc, c'est comme si l'État est un peu faible vis-à-vis de, de, de certains. Non, c'est sans état d'âme. Il faut réprimer il faut réprimer. Et par rapport aux transporteurs, surtout. Euh, des produits de, première nécessité Bon, de première nécessité et même des passagers hmm. qui vont à l'intérieur du pays. On a vu quand il y a eu un renchérissement euh, quelque part du prix du prix des hydrocarbures, comment ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont augmenté dans, le, dans, les prix des, transports. Hmm. On, a vu. Oui, donc. Il y a donc un travail qui doit être fait sur toute la chaîne. D'abord, il faut. L'information est déjà là. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut appliquer. Ils vont à la pompe, ils vont, ils, vont, payer moins cher les prix révisés des, hydrocarbures. Maintenant, il faut que le consommateur, le passager, le, ressente ça également, mm. même si par ailleurs, ça ne peut pas être euh, ressenti comme si le prix, l'essence qui était à 540 francs est revenu, est vendu à, 350 mm, mm, francs où on voit la marge de... vous, voyez ce que je, que, veux dire. Voilà. Mais c'est à l'État, à l'État vraiment de prendre ses responsabilités. Ce qu'il a dit, ils n'ont qu'à mettre ça en application, vérifier et sanctionner et réprimer le avec la dernière énergie. Merci, merci. C'est donc qui a avancé cette réduction du prix de l'essence et du gasoil à, la pompe à l'État donc de sanctionner, de prendre toutes les mesures euh, contre toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse. Merci chers invités. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant et Hussein Nissa, journaliste indépendant également. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes avec euh, l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA les week-ends dès 17h et les forums en Hausa et Zarma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Mustapha Yuba. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.